mais haute cour de justice exactement comme nous allons mettre en accusation le président nous allons mettre en accusation Nous nga xamante ne ñoom Nous euh, ñoom euh, ministre voilà sauf que la seule différence avec le président le président a dañ qu'il il faut les trois cinquièmes euh, des députés composant l'Assemblée nationale Nous allons, bu 3 trois cinquièmes yooyu amuñu ko mhm. mooy ñoom bu leen l'Assemblée nationale bu faire ne par en majorité d'aller mettre en accusation dans les dames l'exemple que je peux donner mhm. c'est l'exemple de de Idrissa Seck mhm. Idrissa premier ministre mhm. dans l'affaire des chantiers de Thiès mettre en accusation xam nga commission d'instruction bi daal di ko jëloon doon euh, ko auditionné et consort à l'époque c'était Cheikh Tidiane Diakhaté bi nga xamante mo le premier président de la cour d'appel moment dirigeant moo dirigé euh, li nga mo la commission d'instruction de de la haute cour de justice sa cëppaandaw ga lañ ko jox noonu ya donc tey tey tey tey tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay ministre woon ci gouvernement euh, Macky Sall ñu gis ñoom ay ñaawte yu war na leen mën a toppee comme haute cour de justice assemblée nationale bu ñu ko installé pare ñoom am nañu possibilité ñu renvoyer leen foofu su fekkee ñu nekk député nag mhm. bala ñu leen a renvoyer haute de justice il faut d' ñu dindi seen mbalaanu kiir laay comme nous avons fait Barthélemy Dia dans l'affaire Ndiago Ndiaga Diouf comme avons fait Ousmane Sonko dans l'affaire Adjissar. Adji avons da ngay dind sam d'abord, mhm. avant que nga leen mettre en accusation devant la haute cour de justice mais à ma majorité majorité, ce sera comme l'air à la poste quoi voilà